de dëkk sa monsieur le président de la république les responsables politiques ont compris cela et ils agiront en connaissance de cause ou bien en voie de conséquence président département de département de woon c'est le de de la ce qui vient d'être posé comme acte relève du concret, vous l'avez toujours dit, avec Macky c'est le temps de l'action. Vous donc la ville en particulier, Monsieur le Président de la République. Nous n'avons, à part la Nationale 6, nous n'avons jamais connu un maître de putimage à part la Nationale 6. Cela est lointain dans le passé. C'est avec vous, c'est avec vous que a connu l'éclairage public qui est en train de se progresser. C'est avec vous que Goudon a réussi à accueillir le camp des sapeurs-pompiers. De Ziguinchor, à Kolda. c'est avec vous, Monsieur le Président la République, que Goudon, département, goudon ville, a accueilli le service des sapeurs C'est avec vous qu'Ogoudom a connu la brigade de la gendarmerie. C'est avec vous qu'Ogoudom a connu ou est en train de connaître la construction du quai de pêche. C'est avec vous qu'Ogoudom est en train de s'urbaniser, de se moderniser. Monsieur le Président, Wa ñoo la amel jukkal man li ma ciy teg mooy monsieur le président de la république vous êtes venu avec votre dans votre délégation un beau fils de Goudam, le ministre ministre d'État Abdoulaye Daouda Diallo fii la fii la jëlee soxna ci dëkk bi kon boo àndee ak moom fii rafet Nanini que devant toute la population de Bouddha, monsieur Daouda Diallo Yangi, ngi yegsi ci jàmm si si je le dis ce n'est pas parce que j'ai le plaisir de dire c'est parce que c'est une énorme action sociale que monsieur Daouda Diallo est en train de faire dans cette ville à travers sa femme Tamaro Sidi il faut savoir reconnaître il faut savoir reconnaître la bonne action ça, c'est la bonne action que je voulais saluer en tant que maire dans toute sa justesse. Merci beaucoup, M. Diallo. Ce serait lâche de ma part de ne pas rendre un hommage mérité au ministre Doudouka. Parce que simplement, parce que simplement, moi, je ne l'ai jamais connu, je ne l'ai jamais fréquenté. À une semaine de votre arrivée dans la région, il m'a appelé pour me dire, Monsieur le maire, je m'engage à accompagner la mobilisation dans la région. Je vais vous appuyer. J'étais même étonné, j'ai dit, mais Monsieur le ministre, pourquoi Il me dit, nous allons vers des joutes nationales où le président de la République doit vaincre partout. Monsieur le ministre, je salue cette belle philosophie de la compréhension des enjeux surtout quand elle est accompagnée de l'action. C'est ce que vous êtes en train de faire. Mane wa waa Wa waa président Macky Sall mu ngi nii toog am na lu mu indi ci amna lu mu defoon fii ci dëkk bi bala mu yett fi tey tey amna lu mu indaale le seul projet le seul projet de la voirie coûte 3 milliards 500 millions 3 milliards 500 millions li au niveau de la maison de la jeunesse et de la citoyenneté la commune de Boulogne, il faut le préciser est le premier maire de la région qui a octroyé le site pour la construction de la maison de la justice. Nous sommes les premiers, monsieur le ministre de la Jeunesse, avec qui nous avons beaucoup échangé sur la question. Je vous dis merci à travers cette tribune. Je veux saluer la jeunesse de Goudan pour vous dire, vous n'avez pas le droit désormais d'être orphelin. Vous êtes en face des hommes qui comprennent combien de fois le développement est important dans notre localité. Il y a un paradoxe, il y paradoxe quelque part. Nous sommes, nous sommes une zone riche de potentialités naturelles et économique. Nous sommes classés les plus pauvres. Il y a contraste quelque part. C'est pas normal. Le président Matissal est venu lever cela

alina fereke alina fereke a kana kana ma parce que n'a kana taa ma le bɛna masibo kɔnɔ